forum distribution the forum distribution kalam the forum distribution kalam the forum distribution kalam the forum distribution kalam Il est 18 heures passées de 15 minutes à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés dans les huit chefs lieux des régions du Niger ainsi que dans une vingtaine de départements grâce à notre réseau dynamique de 31 radios partenaires à vous pouvez nous suivre en direct sur Alternative FM 99.4 MHz, Enfant FM 100 MHz et Quartier FM 90.9 MHz. Notre page Facebook, c'est Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du Studio Kalangu, c'est votre émission radiophonique qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur la vie sociopolitique économique du pays à travers les personnes ressources que nous invitons pour vous donner la bonne information. Eh bien, les taxes immobilières au Niger, c'est le thème du forum de ce soir. À travers cette thématique, nous voudrions savoir qu'appelle-t-on taxe immobilière Comment se fait la perception de cette taxe Pour quel type d'immeuble ou de maison faut-il payer la taxe L'État dispose-t-il d'un répertoire de toutes les maisons à Niamey, tout comme à l'intérieur du pays Sur la thèse juridique se base l'État pour le recouvrement de ses taxes immobilières quels sont les différents types de taxes qui existent et qui sont les personnes qui sont censées payer ces taxes, à quel moment faut-il payer, que disent les tests en cas de non-paiement, faute de moyens ou de refus de s'acquitter, les tests sont-ils appliqués convenablement, dans quelles conditions l'État accepte-t-il des exonérations en matière de taxes immobilières, c'est à toutes ces questions que nous tenterons d'apporter des réponses au cours de ce forum de trois quarts d'heure qui reçoit invité ce soir M. Seine représentant de la Direction générale des impôts. Monsieur Seine bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également comme invité M. Moussoulmi Malam Sita. Il est le président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance AN2C. Monsieur Moussoulmi, bonsoir. Et à la présentation, vous avez Michel Dégé. Nous allons donc euh, commencer avec vous, Monsieur Seynoussouna, représentant de la Direction générale des impôts. Qu'est-ce que c'est la taxe euh, immobilière Très bien, donc euh, je remercie le studio Kalangou de nous avoir donné l'occasion d'expliquer à l'ensemble des auditeurs le fondement de la taxe immobilière. C'est nous qui vous remercions. Et nous allons d'abord commencer par donner une définition en français facile de ce que c'est que la taxe. Mhm. La taxe, si vous voulez, c'est une participation à l'effort de développement d'un pays, d'une collectivité ou d'une structure. De façon générale. De hein. façon générale. Hum. Et quelque part, on dit que la taxe, c'est une contribution euh, réglementée par une, loi, bien sûr, mais à laquelle vous devez vous attendre un retour. Un hum, hum. retour et un service, bien entendu. Alors, si on ajoute le mot immobilière, là, on sent qu'il y a quelque part euh, immeuble ou immobilisation. C'est-à-dire mmh. quelque chose qui ne bouge pas. Aujourd'hui, la première des choses que nous avons en matière de, enfin, en tout cas, le sol est aujourd'hui la première chose qui ne bouge pas, sur laquelle se vend donc euh, la taxe immobilière. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, la taxe immobilière, c'est tout ce qui se rattache, à ce qui est édifié et tout ce qui est édifice construit en dessous, euh, dessus du sol. On peut parler donc de taxes foncière. Taxes foncière, si vous voulez, oui, taxe foncière. Et par rapport à tout ça, quelle est la situation actuelle de ces recouvrements en matière de taxes euh, immobilières au Niger sur l'ensemble du pays D'abord, nous devons euh, préciser qu'il y a deux sortes de taxes immobilières. Mhm. La première euh, catégorie de taxes immobilières, elle est liée aux personnes physiques. là, c'est, si vous voulez, l'ensemble des impôts que les personnes physiques en tant que telles paient. Mhm. Et la deuxième taxe immobilière, elle est liée aux entreprises, aux personnes morales donc, qui ont un chiffre d'affaires de plus de 5 millions. Mhm. Euh, dans le cas de, des personnes physiques, nous prenons euh, un taux de 10% par rapport à la valeur locative annuelle. Mhm. Pour le cas des personnes euh, morales, nous prenons 1% sur l'ensemble des investissements, toutes taxes comprises. Mhm. Voilà, grosso modo, les deux formes de taxes immobilières que nous avons. Pour le cas de la taxe immobilière pour les personnes morales, le problème ne s'oppose pas. C'est le cadre informel, c'est des sociétés, les entreprises. Mhm. Si vous avez aujourd'hui euh, des investissements, des immobilisations de 35 millions, mhm. euh, nous réclamons 350 000, je crois. Mhm. Et là, ça ne se pose pas parce que vous avez un fonds qui est là, vous avez votre siège en cas de non-paiement. Et au-delà des délais requis, nous procédons donc nécessairement à plusieurs étapes à la formature systématique de ces locaux-là. Mhm. Donc le problème ne se pose pas, le recrutement se fait dans ce cas-là pratiquement au-delà de 90%. Mhm. Mais le gros problème, c'est au niveau des personnes physiques. Là où euh, nous prenons 10% de la valeur locative annuelle mhm. sur les locaux euh, loués et 5% sur les locaux à usage gratuit et pour les résidences secondaires. Nous avons, dans certains cas, la possibilité de faire payer intégralement l'impôt par des gens qui viennent spontanément le payer. Il y en a qui viennent même par anticipation réclamer leur impôt. Il y en a qui le paient en deux, en deux, en deux tranches. Euh, au plus tard le 31 mars de l'année mm-hmm. et au plus tard euh, pour le second semestre le 30 juin Bien évidemment, c'est dans ce cas de figure nous avons énormément de problèmes en matière de recouvrement. Et là, nous, sommes obligés de faire recours à beaucoup, plusieurs étapes de pouvoir, pour pouvoir faire entrer l'État dans, dans, ses droits. Mhm. Notamment euh, ce qu'on appelle vie à tiers détenteur. C'est une étape de recouvrement un peu forcée qui permet à, la DGI de rentrer, euh, de pouvoir recouvrer cette taxe-là en faisant pression sur ceux qui sont en mesure ou ceux qui gèrent la fortune du propriétaire réel qui est passible de l'impôt. Notamment les banques, mhm. notamment certains locataires solvables. Donc euh, ça, c'est en cas de difficulté de paiement ou en cas de non-éducation de ce propriétaire. Mhm. Dans certains cas, nous faisons ce qu'on appelle des recouvrements, des, fermetures d'intimidation, comme le cas qui s'est présenté tout récemment. On vient juste mettre les affiches de fermeture devant, vos, devant votre porte pour montrer à l'opinion nationale et internationale que vous êtes euh, redevable d'impôts. Mm-hmm. Et si en bon citoyen, ça doit être quand même, ça doit peser sur votre conscience. Immédiatement, vous vous mettez en rapport avec l'administration et vous procédez au règlement de votre de votre euh, taxe immobilière. Vous le faites dans tous les quartiers de Niamey euh, À l'heure actuelle, la nouvelle réforme au niveau de la DGI a créé cinq centres des impôts fonciers nous, sommes, nous sommes alignés donc sur la configuration des collectivités actuellement. Euh, moi, je suis le responsable au niveau de la commune 5, donc au niveau de la rive droite, et présentement, ça se fait. Oui, à la rive droite, on a vu un cas ah, récemment qui a été médiatisé. Absolument. Mhm. Euh, ce cas, je l'ai toujours dit, euh, c'est un cas qui nous a fait un peu, un peu mal, parce qu'on ne mhm. voulait pas arriver à ce stade. Il se trouve que ce monsieur à sa maison, divisé en deux, une partie en location, une partie que lui-même il loge là-dedans avec sa famille. Et depuis 2013, les agents des impôts ont couru derrière cet argent, euh, ce monsieur, ce contribuable, pour qu'il paie ses impôts depuis 2013, notamment par la mise à disposition de son avis d'exposition, donc on a notifié l'impôt chaque année. Mm. Chaque année, on lui a fait des convocations. Chaque année, comme le PMA se fait en deux, en deux étapes, nous avons toujours donné deux mises en demeure. Et malgré tout cela, il n'a pas répondu la limite, je me dis que c'est de Et là, ça ne peut pas aller. On a l'impression qu'il y a quand même euh, des maisons qui n'ont jamais payé d'impôts. vous pensez oui, euh, l'impôt foncier, si vous voulez, la taxe immobilière aujourd'hui est assise dans la partie cadastrale de Niamey. Ça, dit que les, parties où nous avons pu asseoir un cadastre réellement. Mhm. Aujourd'hui, euh, nous avons ce qu'on appelle des maps cadastrales, à partir desquelles nous avons des codes pour chaque maison. Mais au-delà, parce que la ville a grandi, euh, des quartiers comme mais 2000, des, quartiers qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas en réalité, mais depuis la dernière euh, opération de recensement qu'on a effectuée en 2017, nous avons réussi à couvrir toutes ces zones-là et à, l'heure actuelle, pour la seule année de 2017, je pense que l'ensemble des maisons, en tout cas, euh, en zone lotie, donc services en eau et électricité, sont quand même recensés. Mhm. Que disent réellement les tests en cas de non-paiement ou de faute euh, de moyens pour euh, le contribuable à pouvoir arriver à payer cette taxe immobilière. D'abord, euh, il ne peut pas avoir manifestement de manque de paiement puisque essentiellement l'impôt ou la taxe qui nous intéresse, c'est sur le revenu, c'est sur la location. Nous nous efforçons toujours de vous donner l'avis d'imposition en, en début d'année pour vous permettre de pouvoir prendre les dispositions et payer cette taxe dans les délais requis. Oui. Et si vous voyez la valeur de cette valeur, cette taxe immobilière-là, elle ne représente en réalité que à peu près un mois de loyer. C'est 10%. Aujourd'hui, vous avez une maison qui est à 10 000, on vous demande 12 000. C'est légèrement au-dessus du mois de loyer. Ça veut dire, en bon citoyen, vous pouvez vous débrouiller dans l'année pour dire je cède le mois de mars, le mois d'août ou le mois de septembre à l'État. C'est votre choix. Mhm. Donc, nous sommes un peu surpris de, cette question parce que je, je me dis, c'est un peu un impôt sur le revenu et il n'y a pas de raison qu'on dise que les citoyens ne soient pas en mesure de pouvoir euh, ne pas honorer cet engagement. Par conséquent, il nous arrive souvent lors de recensement parce que la taxe immobilière, elle est d'abord déclarative. Il faut d'abord aller dire qu'on possède aller euh, il faut aller dire un immeuble, un immeuble avec euh, le nom, le prénom, l'occupation, mhm. l'affectation, le montant de location, l'usage, ainsi de suite. Dans le cas où vous n'arrivez pas à le faire, nous, au niveau de la DG, nous sommes dans un service euh, organisé en chaque commune. Et à travers euh, ce qu'on appelle les recensement, nous faisons des porte à porte pour non seulement recenser toutes les maisons, identifier toutes les maisons qui nous intéressent, notamment celles qui sont en location, et en fin de compte pour procéder à leur imposition. Mhm. Et donc c'est à partir de là que euh, nous sortons les avis d'imposition et nous nous devrions pour que chaque année, euh, les propriétaires aient leur avis en temps pour que les délais de, de recouvrement soient respectés, notamment le 31 mars et le 30 juin. Nous avons un autre invité, il s'agit de Monsieur le Président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, Monsieur Moussoumi Malam Sita. Quelle réaction par rapport euh, à cet éclaircissement donné par le représentant de la Direction générale des impôts, un domaine dans lequel vous intervenez souvent au niveau de votre association. Merci, monsieur euh, Deji. C'est moi qui vous remercie. Ok, pour l'opportunité, en tout cas, de, que vous m'offrez aussi pour, euh, en tout cas, partager avec euh, <coughs> vos auditeurs les préoccupations qui sont nationales sur la matière fiscale. Mhm parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, la première ressource quand même de l'État repose sur euh, la mobilisation des, recettes internes et surtout en tout cas la fiscalité intérieure. d'ailleurs souvent on a coutume de dire que c'est de cette capacité d'un État à mieux mobiliser ses ressources mmh. que dépendra même ses relations internationales en matière d'emprunt et autres dons, en tout cas projets, etc., qui permettent euh, de concourir fondamentalement mmh. au développement ou en tout cas à l'exécution des politiques publiques dans le sens économique et social. Dans tous les cas, l'État, sous l'angle répressif en tant que gendarme, c'est-à-dire disposant de la force publique mhm. peut, bon gré, mal gré, amener un citoyen redevable mhm. à s'exécuter, en tout cas, de ses impôts. C'est un sujet d'actualité. La taxe immobilière, elle est, fait partie intégrante des impôts fonciers. Elle n'est pas une matière nouvelle, mais en regardant le projet de loi de finances 2018, il y a eu des aménagements à l'intérieur. Hmm. Parce que il est vrai qu'avant, les gens s'intéressaient trop juste à dire que les gens vont payer 10% de la valeur locative, que ce soit en beau professionnel ou habitation. Mais je pense que, euh, je parle sur le contrôle du représentant de la DGI, ils ont apporté des aménagements pour parler de la, des impôts sur les revenus des baux d'habitation, c'est-à-dire là où ce sont des particuliers ou des citoyens qui vivent avec leur famille en tant que locataires, là où ce sont des citoyens qui ont des activités en termes d'entreprise, que ce soit commercial euh, ou industriel ou professionnel, et maintenant de l'autre côté, là où ce sont des sociétés, ce qu'on appelle les personnes morales, qui soit ont construit leur propre siège, ou en tout cas sont dans d'autres constructions. C'est d'ailleurs ce qu'il a eu à expliquer. Voilà. Nous allons également voir avec lui quels seraient les prochains changements avec justement ce projet de loi des finances euh, qui est soumis à l'Assemblée nationale. Mais vous, en tant qu'acteur de la société civile, quel par rapport à tout ça, s'il faut payer la taxe euh, immobilière, euh, quel mot vous avez par rapport euh, à, cela et à nos auditeurs Ok. L'impôt, c'est celui qui a un revenu, à qui on demande à payer de l'impôt. Hum. Aujourd'hui, entre nous, quelqu'un qui met une maison en location, ça veut dire que c'est un citoyen qui, à travers ses différentes activités, a eu soit à épargner ou à économiser, pour investir, à construire au-delà de son habitat principal, mhm. un habitat secondaire qu'il met en location, 100 000 francs par mois. Et c'est sûr, l'année, ça fait combien 1 million 200 000. Ça, c'est un revenu propre à ce propriétaire-là. C'est dans ce revenu que l'État demande une part. Il mm. faut bien comprendre cet aspect-là. Donc, de l'autre côté, les nouveautés qui sont arrivées. C'est Le fait que l'État demande cette part, est-ce que ça ne contribue pas à rehausser les, frais de loyer et tout ça C'est important. La discussion, elle, peut être ici. À deux niveaux. Hein. Parce que dans tous les cas, si vous prenez par exemple 10%, mhm. l'État dit eh, 10%. Bon, généralement, les gens disent, sur 12 mois de loyer, c'est comme si vous donnez un mois à l'État. Vous, vous avez pour 11 mois. Mhm. Mais la question, l'État a donné un pourcentage. Ça veut dire que si le loyer est à 100 000, l'État prend 10%. Si le loyer est à 80 000, la définition ou la détermination de la location ou du prix de location, aujourd'hui, on est dans un monde de libéralisme. Vous voyez bien qu'au Niger, même si les gens, je pense, que ignorent un peu certains aspects de l'ordonnance 96 qui avait déterminé les caractéristiques en termes de location, mhm. aujourd'hui on n'applique pas. Donc sur cet aspect-là, l'État n'a pas imposé pour dire que, par exemple, obligatoirement, il faut que la location soit à ce niveau et qu'en conséquence, voilà le montant qui me revient, pour que peut-être le propriétaire dise que, en fonction de ça, le locataire doit payer plus. On bien. Donc je pense qu'il hein, eh, faut vraiment eh, comprendre une chose. Hum. Sur la matière fiscale, par rapport à la taxe immobilière, nous, de notre point de vue, parce qu'on hum. peut revenir sur la taxe d'habitation. Là, j'ai peut-être, euh, hum. je peux relever quand même peut-être des. Mais par rapport à la taxe immobilière, telle que nous l'avons, en tout cas, compris, comprise, mhm. pardon, et surtout en tant qu'assistant à certaines structures sur ces aspects-là, nous pensons que, honnêtement, logiquement, les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas de problème particulier pour un citoyen à honorer ses engagements sur la matière fiscale dès lors que tu tires de revenus. C'est important. Il est donc euh, pertinent, il est important, comme le soutient le président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, euh, de payer ses impôts, cette taxe euh, immobilière, on va dire. De quels moyens disposez-vous, monsieur le représentant de la Direction générale des impôts, pour pouvoir arriver à connaître le montant ou le coût d'un immeuble, d'une maison de façon générale quand on sait que bon, les propriétaires fixent euh, les coûts comme ils veulent et comme ils pensent le faire. Et une même maison peut avoir euh, des frais de location différents, n'est-ce pas Évidemment. Là, je, là c'est une question très pertinente parce que au niveau de l'évaluation des immeubles, nous avons trois méthodes. Mhm. La première méthode, elle est banale, hein, c'est par contrat. Un contrat écrit ou verbal. C'est une maison, je la mets en location, je n'ai pas besoin de faire ça par écrit. Tout celui qui demande, on me dit, à ah, cette maison, elle a 50 000. C'est mm. accepté ou à, laisser. Donc, c'est le contrat verbal. Je peux même poser des conditions supplémentaires quand vous devez rentrer, payer trois mois, ainsi de suite. Maintenant, il y a le contrat écrit dans lequel... Le contrat de bail. Le contrat de bail écrit dans mm-hmm. lequel on doit faire apparaître même l'aspect de ce de, la taxe immobilière, objet aujourd'hui de notre débat. Parce que la plupart des contrats, nous insistons pour que euh, soit le locataire, soit le propriétaire puisse faire émerger dans ce contrat le, recouvrement de la taxe immobilière. Mm-hmm. Et pourquoi Parce que depuis euh, 3 ou 4 ans, je crois, mm-hmm. euh, tous les immeubles qui sont loués au-delà de, en tout cas pour un montant de 150 000 à plus, par des personnes morales, donc qui sont dans le système formel avec des comptabilités, eh bien, les locataires sont tenus sous contrainte, de, en tout cas de pénalité, de faire la retenue. Autant mhm. de mois que vous donnez au propriétaire de la maison, autant de retenue des 10%. Ouais. Vous voyez un peu, et là, c'est la loi qui lui dit, le propriétaire ne doit pas s'en prendre au, au, locataire. Mhm, c'est une loi qui le dit, toute maison est louée par une personne morale dont le montant de loyer pas 150 000, il doit avoir nécessairement cette retenue-là. Mhm. Et là, dans ce système, je crois que tout le monde a compris. Pour revenir un peu au, propos du, président, la sensibilisation est là, c'est parce que cette loi a été votée uniquement pour les personnes qui sont dans le domaine formel. Mhm. Et toutes ces personnes morales-là ont des conseillers en fiscalité qui attirent l'attention parce que généralement, euh, ils ont le code général des impôts, ils ont toutes les nouvelles dispositions fiscales et en matière de recouvrement de cette mesure, je peux même avancer et dire que ça se fait pratiquement à 95-98%. Mhm. Maintenant, le problème, c'est les valeurs qui sont en dessous de ces 150 000. la première méthode dont je vous parlais, c'est effectivement le contrat, qu'il soit verbal ou écrit. Deuxièmement, nous avons la méthode par euh, voie administrative. Nous avons aujourd'hui des services compétents, notamment le cadastre, qui, en fonction des zones, des quartiers, des zones fiscales, permet de savoir au mètre carré près la valeur locative d'un immeuble, en fonction de sa superficie bâtie. Donc, euh, vous êtes d'accord avec moi qu'un bâtiment qui est à Quaracano n'a pas la même valeur qu'un bâtiment qui est au niveau de, Donc, nous avons tenu compte de toutes ces variations. Et aujourd'hui, avec une abac, un tableau, on permet à n'importe quelle zone de pouvoir prendre la superficie du bâtiment et d'aboutir à la valeur euh, locative euh, de cet immeuble en nous permettant donc d'aboutir à la taxe immobilière. Alors ça vous, vous bénéficiez à ce niveau de la compréhension des contribuables parce que ça veut dire qu'à ce niveau, c'est vous qui évaluez le coût de la qui maison. Évaluons pourquoi euh, le président en sait quelque chose. je le disais tantôt, la taxe immobilière se, elle se, elle se prend à partir d'un recensement. Mmh. Et malheureusement, nous faisons ce recensement dans les jours ouvrables où les principaux pères de ménage, je veux dire les chefs de ménage, sont pour la plupart au travail. Et lorsque nous arrivons dans une maison, on ne trouve que des femmes où on demande naturellement les valeurs locatives et même les propriétaires. Souvent, on nous dit c'est LHG. Hum. ce n'est pas un nom. Bon, heureusement, nous sommes dans un service organisé où a priori, nous avons de banques de données pour la plupart des maisons. En tout cas, nous n'avons pas à nous appesantir sur chaque fois les propriétaires sauf en, cas bien sûr de changement où il faut nécessairement faire la mutation. Mais par contre, pour les valeurs, les femmes ou les personnes que nous trouvons au moment du recensement n'ont pas les vraies valeurs. Et nous ne pouvons pas les revenir pour la même maison, vous comprenez Ça veut dire que vous vous fiez à ce que ces gens vous disent Souvent, on est obligé de se fier parce que, bon, ben, écoutez, quand on rentre dans une maison, hum, généralement, nous avons déjà notre idée parce qu'on n'est pas à notre premier recensement. Hum. Par exemple, vous prenez au niveau de la rive, euh, la, la commune 5, nous avons déjà le répertoire de l'ensemble des maisons avec les propriétaires. Il y a eu des recensements antérieurs et tout le monde sait en matière de location, le prix est rarement diminué, il ne fait qu'augmenter. Donc si euh, nous arrivons dans une maison, la première des choses, c'est de mettre en confiance celui à qui vous parlez. C'est la maison d'un tel là, il vous comprend, il sait que vous maîtrisez la situation. Nous sommes là pour savoir si le prix du loyer a grimpé ou pas. La seule chose où le seul problème qu'on a, c'est lorsque le propriétaire loge dans la même maison avec les locataires. Alors là, il y a une pression morale qui ne permet pas aux locataires de dire la vérité. C'est-à-dire que ces propriétaires sont tentés de diminuer le coût euh, du loyer Bien évidemment, bien évidemment, parce que là, vous ne pouvez pas. Sinon, dès que l'on aura le dos tourné, ils vont essayer de faire des chantages sur le locataire et les faire quitter. Est-ce que vous pouvez nous nuancer quelque chose On parle euh, de taxes immobilières et de taxes d'habitation également. Qu'est-ce qui différencie l'une de l'autre. Le président, donc l'acteur de la société civile, s'est déjà euh, lancé sur ce terrain. Moi, je suppose que c'est un projet et en tant que fonctionnaire de la DGI, je n'ai pas encore officiellement les papiers et je n'ai pas le droit d'en parler. Ok, d'accord. Alors, que représente en euh, ce qui concerne donc euh, exclusivement les taxes immobilières pour les caisses de l'État au niveau de la DGI Donc, au niveau de la direction régionale des impôts, là où essentiellement on prend la taxe immobilière des personnes physiques, hum parce que l'essentiel, de la, taxe immobilière sur les personnes morales se, prend au niveau de la direction des moyennes entreprises ou au niveau de la direction des grandes entreprises. Le problème ne se pose pas. Euh, ils arrivent jusqu'à 95-98% un taux de recouvrement. Le problème, c'est au niveau des personnes physiques où, euh, à ce stade, nous sommes largement en deçà de 20%. <laughs> Tout simplement parce que euh, nous n'avons pas de pression réelle. La loi ne nous a pas donné, enfin, nous a donné mais la DGI, quand même, a un visage humain. La loi nous permet d'aller jusqu'à faire ce qu'on appelle une contrainte par corps, c'est-à-dire aller prendre le propriétaire, l'emprisonner pour l'impôt. Vous comprenez, dans notre contexte actuel, la DGI, ou nous-mêmes de faire des saisies. On ne peut pas faire une saisie d'un immeuble pour un montant de 600 000. Vous comprenez Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, euh, de concert avec notre administration, et même hier, lors de la rencontre avec le ministre des Finances, nous sommes en train de faire des, des innovations, hum. donc des, trucs purement personnels, mais qui rentrent un peu dans le cadre tracé par la loi, tendant donc à jouer un peu sur le mental de ses propriétaires. En effet, un propriétaire qui se respecte, qui vient de voir, sa porte, une affiche où il s'est marqué fermé pour non payer de mon, pour pour non paiement d'impôt, ça, ça doit l'étiqueter. Mhm. Ce type, s'il n'est pas sensible à une telle situation, croyez-moi, ce n'est pas en fermant qu'on peut avoir l'argent. Vous fermez ça comment Vous mettez juste l'affiche de côté On met juste l'affiche de côté pour prouver qu'il doit. après avoir évidemment... Euh, euh, Mais vous ne verrouillez pas avec On ne verrouille pas, ce n'est pas des brides scellées, c'est juste des brides d'affiche ça mhm. s'appelle. On vient juste lui mettre ça en face pour que chaque matin qu'il se réveille, il voit ça de mémoire. Peut-être c'est son petit-fils ou son fils qui va lui dire Papa, qu'est-ce qui ne va pas J'ai vu un papier rouge avec un pot, tu as des dettes avec l'État. Ça, c'est, si vous voulez, pour toucher un peu la sensibilité. Et jusque-là, je crois que ça, ça, ça, porte ses fruits. Et c'est ça qui fait que depuis. Euh, Et c'est quoi la suite euh, de la procédure Une fois que vous mettez l'affiche euh, Vous n'avez pas le droit de toucher parce qu'une fois que vous faites les grilles d'affiche, vous avez d'office 100 000 francs, vous récidivez, ça fait 200 il y a une amende, évidemment. Oui, mais vous dites que la personne a accès à son domicile, vous mettez l'affiche de côté, ça veut dire que la personne ne va pas vouloir enlever l'affiche. Ah, elle ne peut pas l'enlever parce que tant que ce n'est pas nous qui l'enlevons, elle peut rester autant de jours jusqu'à ce que le receveur qui est pécuniairement responsable puisse prendre une autre décision, celle peut-être de titrer la maison, de pouvoir euh, prendre l'argent qu'il faut ou bien d'aller jusqu'à la contrainte. Si la personne persiste à ne pas payer et l'affiche est toujours là, elle a combien de temps cette personne ça, c'est le receveur qui doit en juger. Et, je vous disais tantôt qu'au-delà de cette affiche, il y a cette procédure de, saisie des biens. Mhm. Là, il faut nécessairement euh, titrer quand je dis bien, ce n'est pas uniquement la maison. Nous avons aussi d'autres formes de biens que, après enquête, qu'on peut prendre au niveau du propriétaire. Et si tout ça, ça ne suffit pas, sans en ce moment qu'on procède à la, procédure, on engage la procédure de titre foncier de la maison en vue de pouvoir liquider et faire, en sorte que le toit soit remis dans ses droits. Nous avons un projet de loi, monsieur le représentant de la DGI, qui est en discussion à l'Assemblée nationale et le ras le continue. En fait, concrètement, ce qui concerne euh, les taxes immobilières, euh, à travers ce nouveau projet de loi des finances en discussion, quel changement euh, pourrait-on attendre euh, par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer en ce qui concerne la perception de cette taxe immobilière. Quelles sont les innovations que ce projet apporte le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance a eu déjà à esquisser le sujet par rapport à ça. Écoutez, nous, nous sommes une structure d'exécution. La loi, ce n'est pas un projet qu'on a la commenter, laisse a entre les mains c'est plutôt l'acteur de la société civile qui, ceux qui sont en possession du projet, qui sont en mesure de faire ce genre de commentaires. Nous, ne pouvons sensibiliser les contribuables qu'une fois la loi en main, hum. et nous n'avons en réalité pas le, le droit. Le droit, pas le droit. Mais en tout cas. Euh, c'est après adoption que ça devient une loi de l'État. Ça, devient une loi de l'État. Et à mon avis, euh, le président, l'acteur de la société civile est bien placé pour faire ce genre de commentaires, hein, plus que moi. <laughs> oui, Monsieur Moussoulmé, oui. Euh, euh, les citoyens, en fait, euh, vous vous êtes certainement approprié ce document, précieux document en discussion. quelles sont les innovations auxquelles les citoyens peuvent s'attendre, qui sont prévues dans ce projet de loi La nouveauté dans cette loi de finances par rapport en tout cas à la question de taxe immobilière ou de l'impôt foncier globalement, c'est l'introduction de la taxe d'habitation. Là, je mhm. dis encore, je, parle sous le contrôle des responsables de la DGI. Donc, c'est pour la première fois qu'il y aura une taxe quand en tout cas, moi, à travers une loi de finances, je vois qu'on a inséré une, taxe, d'habitation et d'ailleurs, dont le mécanisme de perception ou de recouvrement doit passer même par la Nigelec. Il n'a pas voulu parler de ça d'ailleurs voilà, parce que je pense faire que la loi soit adoptée, mais la taxe d'habitation, vous qui avez lu ce projet et analysé euh, dans le en cadre fait, de la taxe d'habitation, à mon sens, moi, bon, c'est ça la question on va leur poser. Parce que qu'il n'y avait pas, à travers la loi des finances, une définition claire de cette taxe d'habitation mhm. et surtout. Parce que là, c'est le locataire même qui paye. Là, même si tu, as, même si tu n'es pas locataire, même si c'est chez toi. Mhm. Donc là, on dit que tu occupes à titre gratuit, honoré, ou bien que tu loues, ou que c'est pour. Ça, ça n'a pas de. Et c'est lié au compteur. C'est-à-dire que dans une maison, si tu as 10 compteurs, on a... chaque responsable d'un compteur va payer cette taxe d'habitation. On a même l'impression que les boutiquiers vont payer parce que eux-mêmes ils disposent de C'est au compteur, vous avez vu. C'est-à-dire que l'assiette, c'est l'assiette qu'il faut voir. L'assiette, c'est quoi C'est-à-dire que la matière sur laquelle on a, on a, imposé pour que les gens payent cette taxe d'habitation. Maintenant, la question qu'on se pose, nous aujourd'hui en tant que professionnels ou en tant qu'acteurs de la société civile, quel intérêt l'État a à travers cette... C'est vrai, l'État cherche des ressources, mais en termes en termes juridiques, quel est le retour attendu Parce que vous vous rappelez dans la définition tout à l'heure que le représentant de la DG, il a bel et bien dit que la taxe, en fait, n'est rien d'autre qu'en fait une forme de compensation. C'est-à-dire que d'un service attendu, comme la taxe de salubrité, comme la taxe de voirie, comme d'autres taxes, et les autres impôts fonciers dont on a parlé, c'est par rapport au revenus. Mais ici, là, quel est le fondement Il n'y a pas de fondement. Vous voyez bien, c'est ça la problématique de la taxe d'habitation. Et deuxièmement, pourquoi nous, de notre point de vue, nous sommes, nous sommes opposés à cette taxe d'habitation Parce que déjà, les services de la Nigélect ont bel et bien annoncé leur intention de revoir leur système de facturation. Mhm pour le faire sous forme en tout cas de... Non, pour la taxe d'habitation. C'est juste un outil, mais, la Nigélec va sont être des collecteurs, sont des collecteurs. Mais je, parle en connaissance de cause. Moi aujourd'hui, en tant que citoyen tout court, quelle garantie j'ai dans le reversement que la Nigélec fait D'autant plus que j'ai conscience que la Nigélec, même la TVA, qui est la taxe sur la valeur ajoutée dont euh, nous connaissons tous le mécanisme où la plupart des acteurs, des contribuables sont des collecteurs, que c'est le dernier consommateur qui paye, et nous le supportons aussi, souvent, les responsables de la DG, ils en savent. Ils ont fait combien de, de compensations Parce que la Nigélec ne reverse pas. Je comprends bien. Donc, c'est vraiment c'est pour dire que, à ce niveau-là, sur la question de la taxe d'habitation, je pense qu'il y a eh, une euh, volonté de l'État, tout simplement, d'avoir j'allais dire, des ressources de façon en tout cas euh, gratuite, sans pour autant donner un fondement juridique. Parce que c'est ça la problématique. Hmm. Expliquer les raisons pour lesquelles cette texte d'habitation-là, on veut avoir ça. Qu'est-ce qu'on veut faire en retour Parce que lorsqu'on fait une création, un impôt, lorsque on crée un nouvel impôt ou une nouvelle taxe, il faut qu'on explique aux citoyens les raisons pour lesquelles cette taxe-là est créée. D'autant plus que avant cette taxe, par rapport en tout cas au beau ou par rapport à la location, par rapport au foncier, même les terrains, les terrains nus, même les terrains nus, s'ils si, font l'objet d'une utilisation à caractère commercial ou industriel, ils sont imposés. même l'outillage qui est fixé au sol à perpétuel demeure. Il y a un impôt qui est mm. prélevé là-dessus un outillage que vous fixez à perpétuel par exemple, les grosses machines que vous installez pour toujours. Il y a un impôt que l'État est censé prélever. En tant qu'association nigérienne pour le civisme et la croissance qui œuvre pour un civisme consensueux du mhm. point de vue fiscal, où je dis encore une fois, chaque citoyen, de par sa fierté, peut légitimement aller même vers le service des impôts, demander ses obligations fiscales, les remplir dans les règles de l'art, je pense que cette taxe n'a pas de fondement et en conséquence, nous estimons que les représentants de la nation qui sont les députés à l'Assemblée nationale, vont quand même, dans le cadre de leur amendement, essayer de revoir cette, cette taxe tout simplement en l'extirpant de, la loi des finances. Le, Parce que je des Finances a pensé aucune des lois des finances, une fois, à la solidarité nationale. mais la solidarité, s'il vous plaît. Et lui, il pense que la Nigélex c'est d'ailleurs le meilleur outil parce qu'il pense qu'on ne peut pas. Non, aller ça c'est Non, vous savez, euh. ça c'est juste une stratégie. Aujourd'hui là, tous les différents impôts et taxes là, mais c'est simple. Ça c'est juste un mécanisme. Mm. L'État peut décider de créer aujourd'hui pour dire que bon, désormais pour payer même la TVA, il faut aller à la SNE. Ça, c'est juste ça, c'est juste un mécanisme. Ça, c'est pas ça qui... La solidarité, là, en tant que citoyen, nous participons tous d'une manière directe ou indirecte. Parce que je pense que le meilleur impôt, mmh. l'impôt le plus phare, le plus important même pour les structures de la DGI, c'est la TVA. Et cette TVA-là, tout le monde la paye. Tout le monde la paye. Mmh. Tout le monde la paye. Donc, en tant que citoyen, et même en tant que fonctionnaire, tu payes l'UTS. Tout à fait. Tu es usagé de d'automobile ou de véhicule, de, bah, je ne sais pas, matelas, deux roues, quelque chose. tu payes la vignette. À travers l'assurance, tu payes la TVA. Mhm. Donc, c'est pour dire que tous les citoyens, d'une manière ou d'une autre, payent et contribuent comme on dit, à la couverture des charges publiques. Si on comprend bien, vous êtes pour euh, la taxe immobilière, mais non pour la taxe d'habitation. Non, la taxe d'habitation, non. La preuve, en France, récemment, nous avons tous vécu, nous avons tous suivi la taxe d'habitation qui existait depuis fort longtemps. Ils ont supprimé. Donc je pense que même si on veut faire des choses, il faut faire des choses sur lesquelles on sait que il n'y a pas de problème. Le gouvernement doit revoir sa copie. Et je, je pense que dans le cadre de cette loi des finances, c'est une disposition qui m'a plu personnellement. Maintenant, la question est-elle purement politique ou dans les faits, la DGI va les mettre à l'épreuve. Parce que c'est une disposition où ils ont mis noir sur blanc que l'interventionnisme, que ce soit des ministres ou tout autre responsable d'institution, hum. ne doit pas plus avoir lieu sur la matière fiscale, c'est-à-dire en cas de recouvrement. Parce que dans tous les cas, on pense que au Niger, c'est ceux qui ont plus de revenus qui ne veulent pas payer l'impôt proportionnellement à leurs revenus et qui sont les premiers à chercher des interventions pour qu'on impose aux responsables des impôts de revenir mm. sur le travail qu'ils ont fait. Donc je pense que vraiment sur cet aspect-là, il faut que les gens comprennent que nous devons nous comprendre et encourager et promouvoir la communication et la sensibilisation entre les acteurs parties prenantes de la matière fiscale. Est-ce que vous, d'abord, vous avez un mot à ajouter par rapport à ce qu'il a dit, monsieur le représentant de la DGI ne serait-ce que, des éclaircissements. Nous sommes, Alors, nous, allons, nous allons, terminer ce débat. pour terminer, monsieur le représentant de la DGI, en fait, pouvez-vous nous dire, vous avez, vous avez eu à expliquer les problèmes qu'on a au niveau de ce principe euh, de collecte des impôts, de la taxe euh, immobilière de façon particulière. À Niamey, on voit des maisons pêle mêmes à l'intérieur du pays. Actuellement, cette taxe immobilière, comment vous faites euh, pour la recouvrer à l'intérieur du pays Parce que ce n'est pas seulement Niamey, la DGI. Oui, à l'intérieur du pays, les régions ne sont pas aussi grandes comme la ville de Niamey. À mon avis, c'est des zones où chacun connaît chacun, parce que la plus grande difficulté de la taxe immobilière, c'est l'identification du propriétaire, l'identifier. La région où vous pouvez rencontrer le bon propriétaire trois ou quatre fois. Donc, les services n'ont pas besoin d'un bon cadastre pour pouvoir aller toucher directement ces propriétaires. Nous prenons 10% de, sur l'ensemble des maisons en location, même les bancos, parce que ça produit des revenus. Maintenant, nous prenons 5% sur l'ensemble des maisons, à l'exception du banco et du banco amélioré, lorsque vous les faites ou à titre gratuit ou autre chose. Quand je dis à titre gratuit, c'est-à-dire que, que, vous le fassiez habiter par un, parent, parce que nous, en mm. Afrique, on a calculé nos, nos textes sur la France. La famille, c'est quoi C'est l'ascendant, c'est le descendant, vos enfants et vos parents. Donc, lorsque vous avez une deuxième maison et vous mettez même votre deuxième femme là, donc vous payez l'impôt pour cette maison-là. Mm. Lorsque vous mettez un oncle là-dedans, c'est toujours l'usage gratuit. Vous, vous payez l'impôt, mais à un taux de 5% par rapport, à, euh, comme euh, la location c'était 10%, là on revient à un taux de 5%. Mm-hmm. Bien évidemment, lorsque vous avez un autre immeuble que vous occupez pour une activité commerciale, c'est comme si vous êtes toujours en location. Cet, cet immeuble est également taxé au taux de 10%. Donc euh, ça rentre également dans le, dans le, dans le, dans le même schéma que un immeuble location, donc à titre euh, avec une, affectation commerciale. Un dernier mot pour terminer, Monsieur le Président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. Quelle politique faut-il mener, à votre avis, pour que tout le monde arrive à payer ses différentes taxes au profit des caisses de l'État la, taxe immobilière, notamment, Monsieur le Président. comme vous le dites pour terminer, hein. Nous, restons toujours dans notre dynamique et dans notre logique de dire que seule la sensibilisation, la communication entre les acteurs sur la matière fiscale, c'est-à-dire les agents des impôts et les contribuables, pays. Mhm. Et que les contribuables, ils sont dans divers secteurs, ils sont organisés. Et je pense que selon la problématique, la thématique, c'est-à-dire la nature de l'impôt qui est en jeu, mhm. il faut qu'à travers en tout cas leurs différents représentants, il faut se retrouver avec les responsables des impôts pour pouvoir échanger, discuter. Et c'est à travers ces discussions, ces échanges, que chaque fois, dans le cadre de la conception de la loi des finances, les techniciens même de la DGI vont certainement prendre en compte certaines recommandations qu'ils vont trouver très pertinentes pour pouvoir présenter ou élaborer une loi des finances qui ne ferait pas l'objet de polémiques parce que la polémique, ça n'arrange ni le gouvernement, ni le contribuable, ni l'État. En bref, ça n'arrange pas la nation. Nous l'avons dit, la souveraineté d'une nation repose sur sa capacité à mobiliser ses ressources internes et que les ressources internes ne peuvent être mobilisées que sur la base de ceux qui ont des revenus importants mhm. et qui doivent payer proportionnellement, en tout cas à leurs revenus, pour espérer que la main dans la main, les citoyens, à travers, en tout cas, leurs différentes activités, vont se comprendre davantage avec les agents des impôts. Un mot pour terminer. Très bien. Donc, à l'endroit des contribuables, euh, le mot que j'ai lancé, c'est quel que soit le papier de l'administration fiscale que vous avez entre vos mains, qu'on vient vous donner, immédiatement prenez attache avec le service euh, concerné pour que vous puissiez avoir des amples informations afin de pouvoir vous acquitter correctement de votre euh, impôt. Mmh. Notons que l'impôt a un délai de contestation, mmh. c'est trois mois. Lorsque vous dépassez ce délai-là, nous, administration, nous supposons que vous êtes d'accord avec cet impôt et il est très difficile pour nous de revenir sur cette réclamation lorsqu'elle est hors délai. Mmh. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des citoyens en cas de présentation ou dès qu'ils ont reçu les papiers relativement à cette taxe immobilière, immédiatement de prendre la tâche avec nos services compétents, afin que d'amples informations leur soient apportées pour qu'eux-mêmes, à l'avenir, ils voient un peu l'importance de cette immobilière et la facilité de paiement qui leur sera accordée et également corriger les éventuelles erreurs que nous pouvons constater, notamment dans le recensement, le nom, la valeur et bien entendu dans la méthode d'imposition. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème la taxe immobilière au Niger. Nous étions avec M. Seynesouna, il est le représentant de la Direction générale des impôts, et M. Moussoumi Malam Sita, il est le président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, AN2C. Merci pour euh, votre éclairage, fidèles auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du Forum du studio Kalangou avec un autre thème d'actualité. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation à la technique à Santaoui à la réalisation Boubouka Diallo. Passez une excellente soirée et au revoir.